c'est euh, Madame Diemé. Euh, donc, euh, c'est une association d'accord, qui regroupe les anciens du lycée Pikine S, les cadres qui ont eu quand même à faire les études dans cet établissement. Et depuis que je suis là, c'est la première fois que j'assiste à, une telle manifestation. Et c'est un acte solitaire. Et je pense que une des anciennes de cet établissement est là je pense qu'elle va vous présenter et vous dire quelles sont les, euh, motivations maintenant de cette euh, action. Voilà, Madame Diop. Voilà, merci Madame Diemé. Euh, Madame Diop une ancienne de l'école et professeure dans l'établissement. Alors, nous sommes une association à but non lucratif, appelée Association des anciens élèves de Pékin Est pour le développement et la solidarité. Donc, c'est la promotion 86-91, parce qu'on a subi l'année blanche ici. Donc ensuite, on est revenu comme professeur. Donc pour remettre à Pékin S ce qu'il a fait pour nous, on a mis en place une association. Cette association a pour objectif d'aider Pékin S pour le développement de Pékin S, pour que Pékin S soit un lycée d'excellence, pour que Pékin S soit la meilleure école du Sénégal. Donc nous abordons dans, nous abordons dans ce sens-là. C'est pourquoi lorsqu'on a entendu parler euh, des journées de l'environnement avec les élèves, on s'est dit pourquoi pas ne pas venir les soutenir. Donc euh, c'est sur ces entrefaits qu'on a discuté dans l'association et on a trouvé nécessaire d'acheter du matériel qu'on a mis à la disposition de l'administration hier, d'offrir des déchets de l'eau et euh, beaucoup de choses aux élèves pour qu'on puisse travailler dans un cadre sain. Parce qu'un esprit sain, il faut l'avoir dans un cadre sain, un corps sain dans un environnement sain. Donc, nous, notre objectif, c'est quoi C'est mettre Pékinès dans de bonnes conditions. Que les élèves de Pékinès soient les meilleurs du Sénégal. Que l'école soit la meilleure des écoles. Donc, c'est ça notre association. Euh, pas du tout, pas du tout, parce que le président c'est un citoyen comme tout le monde. Donc nous, on a pensé comme tous les citoyens. On n'a pas attendu l'appel du président, parce que la journée a été programmée depuis belle lurette. C'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de moyens qu'elle n'a pas été encore réalisée. Mais ça devance de loin euh, l'annonce du président. Donc comme tout citoyens aussi, les élèves sont des citoyens, les professeurs sont des citoyens, l'administration est citoyenne. Donc comme tous les citoyens, nous voulons un cadre propre, un environnement propre. C'est pour ça qu'on s'est compté pour pouvoir s'investir dans cette journée-là, qui n'est qu'une première. Oui. Bon, pour l'association, les perspectives sont grandes. Déjà, nous voulons refaire la façade de l'école. Nous sommes en projet avec ça. Ensuite, nous voulons la réhabilitation de l'école réhabilitation du côté infrastructure, réhabilitation du côté pédagogique. Parce que si on veut faire de ce lycée un lycée d'excellence, il nous faut renforcer les capacités pédagogiques. Et euh, on est en train de travailler sur ça. Donc je pense que ultérieurement, on va vous revenir pour les perspectives et autres pédagogiquement, mais aussi des que est-ce euh, que vous avez là-bas peut-être euh, des autorités municipales est-ce que vous êtes appelé à collaborer avec les autorités municipales Bon, j'en suis pas si sûr. D'autant plus que nous, nous dépendons de, de la mairie de la ville. Euh, mais la mairie de la ville aussi, on l'attend, on l'attend, on l'attend depuis belle lurette, mais aucune réaction de sa part. Aucune réaction côté infrastructure, aucune réaction côté considération. Ce lycée, pour ne pas vous mentir, c'est un lycée qui n'est pas très considéré. Donc nous, nous nous battons pour ça. Quand je dis nous, je parle au nom des professeurs. Je ne parle pas au nom des associations. Mais je, je remballe ma, ma blouse de professeur pour vous dire que le lycée Pékin S est laissé en rade. On nous a transformé en lycée, mais on ne nous a pas mis dans de bonnes conditions, malgré que nous faisons de bons résultats aussi. Donc là, franchement, nous appelons à la vigilance des autorités pour qu'ils considèrent cet établissement comme un pilier. Parce que nous sommes un lycée comme tous les autres lycées. Euh, je remercie l'ensemble des élèves. Je remercie l'ensemble des élèves d'avoir participé à cette journée. Parce que participer à cette journée, c'est faire son acte. C'est faire son devoir. Donc ils pouvaient faire comme les autres élèves, rentrer. Je les remercie fort. Je remercie aussi mes, euh, mes camarades professeurs en l'occurrence, Madame Diémé qui est toujours à côté de moi. Tant que je travaille, elle est toujours à côté de moi. Nous remercions aussi l'administration, l'association des anciens élèves de Pékinès, avec la présence d'honneur à Ocherbeng. Donc nous, remercions tout le monde, le gouvernement scolaire, tout le monde, tout le monde. Euh, vous, Monsieur Sougou, on vous remercie bien de votre collaboration. On remercie votre ami, Souley, je ne sais pas comment il s'appelle. Bekaï, Bekaï, on vous remercie beaucoup de votre présence. donc c'était mon dernier mot je laisse la parole assalamu alaykum assalamu alaykum waaw association bi ñi jàngee Pikine Est ñoo ko ñoo ñi fi jàngee jamonoy 86 ba jamonoy 91 ñoo dajaloo def association maanaam boole sen doole boole sen xaalis boole sen xel pour bëgg a dimbali Pikine Est nak nag dacay fekk loxo borom moo tax bañ leen indilee matériel man leen dinaa taxaw pour ñoom ñu set setal ndax comme ñoom ñoo ne dañoo bëgg a bëgg ku leen dimbali bu ñu leen dimbalee war nañ mën a defar loolu moo tax ñu ñëw jàppale leen loolooy njëriñu association bi association bi nag li mu bëgg ci Pikines mooy que école yi nekk Sénégal mu bañ cee dellu gën a nekk dellu ginnaaw mu nekk école boo xam ne mooy jiitu ci école yi ay élèves am nekk élèves yi nga xam ne ñooy jiitu ci fépp ba nga xam ne bu ëllëgee dinañ dégg élèves yi fi ñu dégg tey suñuy morom ñun ndax suñuy morom ku ci nekk yaa ngi fenn di liggéey donc loolu lañ bëgg ci association bi waaw loolu président bi mu koy def fekk na ñun comme ci réew mi la ñu bokk laata ko président di woote xalaat nañ ko fekk nañu xalaat ko ba pare waaye dafa fekk ni boo xalaatee il faut nga xaar euh, la ngay liggéeyee mu mat te lañ doon liggéeye la ñu waroon liggéeyee matul woon moo waral yéex-yéex bi waaye am na noo xam ne bu ko demee woon kon bala président di woote dina fekk ñun suñu école set na ba pare waaw maire yi collaboré wuñ ak ñoom ndax ñun maire yi Alioune Sall la ñuy dépendre muy maire yi géejawaay bi waaye maire bi boo bëggee dégg-dëgg mooy maire bi defuñu lu leen war ci lycée bi ndax ni ñuy jàppale yeneen lycée yi jàppale ko lycée bi gën es tey jii tey bu ñu nee dañuy set setal dem maire ba heure bi waroon na fekk matériel bu bari waa maire bi indil ñu ko fii jàppale ñu waaye nag jàppale wuñ ñu jàppale wuñu waaye ñun tamit ñu ngi ñaan yàlla ci li ñu am ñu dajale ko defal ko Pikines ndax luñu war la ndax bikines moñu formé wa kaddu mu di sante di gërëm lima ma waxoon ci français mom lay ci sante di gërëm élève yi ñu wër ndax euh, mënon nañu bañ ndax seeni morom bañ nañ donc ñom liñu def ni dañu def seen wareef def nañ lu leen war parce que ku nekk fi nga nekk ya koy setal nit nak mënon da ngay set sa yéré ba pay do set fi nga nekk lool setu ginaar lañ koy wax comme ñom nak yalla dimbal leen ñu am xel boobu tok liggé ñu ngi leen sante bu baax di sante bu baax tamit sama natango bi ma taxawal muy madame Jéeme ndax lima wax légui rek fépp fu ma taxaw bu ma geesoo gis ko lepp lu école bi woté bo gesso gis ko donc kon mom meun nañ ni elle est pionnière de l'établissement mom dafa nek point bu indispensable dafa nek lo xamni école bi daf ko soxla ñuy ñaan yalla mu bayiko fi bu baaxa baaxa baax a baax di sant donc on remercie fortement vivement l'association et euh, qui a posé ces actes là acte qu'on attendait bien sûr des, euh, euh, des autorités euh, municipales. Et du moment où maintenant cette association est là, on s'en félicite et on attend aussi beaucoup de choses des autorités municipales. Et comme elle l'a dit en Wolof, on remercie aussi les élèves d'être là, de leur collaboration, l'administration aussi qui a donné son mot, parce que nous, bien sûr, euh, comment on appelle ça, leur collaboration, certainement cette journée n'aurait pas eu, eu lieu. Donc on remercie tout le monde, vous aussi on vous remercie. Donc c'est Info Guédiawaï, Info, donc on vous remercie vivement et euh, voilà, merci beaucoup.